le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou l'émission qui répond aux questions que vous vous posez régulièrement. Le thème d'aujourd'hui porte sur la prévention de la discipline violente auprès des enfants pendant ce temps de COVID-19. La pandémie de la maladie à coronavirus a contraint les autorités à prendre des mesures préventives pour y faire face. Il s'agit notamment de l'isolement, de l'instauration du couvre-feu, de la fermeture des établissements scolaires, pour ne citer que cela. Par la suite, avec l'évolution défavorable de la maladie, certaines de ces mesures ont été revues. Cependant, dans le contexte où la maladie à coronavirus persiste, la fange enfant est souvent traumatisée ou même violentée moralement ou physiquement, et cela pour diverses raisons liées à cette pandémie. Aujourd'hui, nous allons voir les formes de violence euh, chez les enfants en cette période de pandémie et la manière la plus appropriée pour euh, prévenir la discipline violente chez l'enfant. Pour débattre de ce sujet, nous avons autour de cette table trois invités. Monsieur Alzuma Traoré, chargé de programme à SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale. Monsieur Sani Ayouba, parent d'enfants. M. Zaidi Abdelaziz, acteur de la société civile et membre du mouvement des jeunes pour l'éducation citoyenne Mojedec. Pour conduire cette émission, je suis Fatih Zakari. bienvenue à tous et à toutes dans ce forum sur la prévention de la discipline violente auprès des enfants pendant ces temps de COVID-19. Monsieur Abouzaidi Sanoussi Abdullah Aziz, vous êtes acteur de la société civile. Quelle explication faut-il donner à la discipline violente Ce qui est de la discipline violente, il s'agit de violences exercées aux enfants surtout dans cette situation, pour les amener souvent à, faire des choses, les traumatismes, les violences psychologiques exercées sur l'enfant pour l'amener soit à respecter des choses ou bien à, faire euh, quelque chose. cette situation était déjà une préoccupation euh, parce que depuis 2017, l'UNICEF avait euh, publié un rapport par rapport au visage familier des violences, euh, de la, euh, violences sur, les, sur les enfants. Cette situation devient naturellement plus préoccupante avec euh, les questions de, de, confinement entre, entre, entre griffes et des restrictions de mouvements avec la distanciation sociale imposée par le, par Covid. Du fait que les parents sont toujours à, à la maison avec, avec les enfants, à, un certain moment, ils sentent le poids des, multiples mouvements des enfants. Il faut faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose. Alors que les enfants ont le droit de, de, faire tout cela, ils ont le droit à un environnement sain. Mais euh, certains parents n'arrivent pas à supporter cela et ils se permettent de, euh, de les tabasser ou bien de les violenter. La situation économique délétère peut-elle être facteur de violence chez les enfants si vous donnez naissance à, un enfant, eh, vous avez le devoir d'assurer son, son, épanouissement. Vous euh, ne vous n'a pas dit qu'il va venir, c'est vous qui avez décidé d'avoir votre enfant. Donc c'est à vous de prendre les dispositions nécessaires pour, pouvoir le, prendre en charge. la pauvreté dans laquelle végètent les, parents fait en sorte que les enfants vivent euh, dans des conditions très difficiles. Monsieur Sani Ayouba, vous êtes un parent. Vous avez réussi le semi-confinement sans violence. Quel est votre secret Oui, euh, merci d'abord pour l'opportunité que vous nous offrez en tant que parent de, pouvoir euh, apporter un peu notre contribution dans ce, dans ce forum. Euh, je pense que cette question ou la situation née de la maladie au coronavirus, avec les mesures prises, etc., c'est une occasion de plus pour rester davantage près de, sa famille, de ses enfants. Et aujourd'hui, euh, euh, ce qu'il faut constater, tout ce que nous devons faire ou bien nous avons à faire en tant que parents, c'est voir euh, l'intérêt supérieur de nos enfants. Ben, les enfants, souvent, avec le confinement, la fermeture des écoles, ils souffrent de cela, de ne pas pouvoir y aller à l'école, de ne pas pouvoir jouer avec leur père, etc. Donc, euh, si nous, en tant que parents, on ne se met pas dans cette logique de voir comment les aider à, tenir euh, ces manques parce que c'est toujours un manque pour euh, un enfant qui est habitué à aller six jours dans la semaine ou sept jours dans la semaine à l'école et qu'aujourd'hui, il ne peut pas souvent, selon l'âge, il peut pas, parce que moi j'ai des enfants de 3 et 6 ans, donc il ne peut pas souvent comprendre pourquoi il ne faut pas y aller, etc. Donc c'est un devoir pour nous parents de mieux les écouter et de faire souvent avec eux les jeux ou bien les activités euh, qu'ils font avec leur père à l'école, dans la cour de récréation, etc. Donc euh, pour nous, c'était pas facile aussi, c'était un challenge, comme on le dit, c'était un défi au début parce que nous avons nos autres préoccupations, nos autres occupations en tant qu'adultes, mais également aujourd'hui, il y a la charge des enfants qui vient s'ajouter parce que même si on s'occupe des enfants euh, chaque fois en tant que parents, mais quand ils partent à l'école, on fait autre chose aussi. Mais aujourd'hui, on est donc pour nous, c'était, euh, c'est vraiment euh, la discipline d'abord, c'était d'avoir un calendrier ou un, euh, chronogramme journalier pour dire bon, tous les jours, le matin au réveil, voilà, on fait un peu de sport. Après les sports, comme on a un petit potager, c'était de voir comment les initier à l'arrosage ou bien à, couper, comme on le dit, ou bien à, enlever les mauvaises herbes, etc. Donc c'était des activités qui les passionnaient un peu, mais surtout faire des petites activités aussi, comme les, les, activités qu'ils font à l'école, donc c'est-à-dire les initier à au calcul, mais également faire des activités pratiques. Mais tout ceci, il faut vraiment lier ça autour du jeu, parce que c'est le jeu qui permet aux enfants d'apprendre euh, des aptitudes, qui les permet également de, tirer des leçons de morale, etc. Donc euh, nous, nous n'avons pas hésité à aller chercher de l'argile. Souvent, pour faire euh, des jeux avec les enfants comme nous les faisons par les passés. Et est-ce que les mesures préventives de manière générale et le confinement en particulier ne sont pas des causes de violence chez l'enfant Absolument. En fait, tout dépend de la, de la relation qu'on développe avec son enfant. Aujourd'hui ou avec ses enfants, puisque nous on en a beaucoup. Donc aujourd'hui, si l'enfant n'est pas écouté, si l'enfant ne fait pas l'objet d'attention de la part de ses parents, et il ne part pas à l'école, c'est normal qu'il se sente seul, qu'il se qu'il soit nostalgique et à l'écart. Donc cela peut le rendre nerveux, peut le rendre peut-être violent. Et quand l'enfant devient nerveux et violent, cela peut aussi engendrer d'autres violences chez les parents qui ne comprennent pas. Si tu ne prends pas le temps d'écouter ou de regarder, d'observer, tu ne comprends pas, tu vas dire, euh, passer tout le temps à crier sur l'enfant. Et du fait aussi qu'il y a ce poids c'est pas du travail qu'on n'arrive plus à aller faire ou bien le télétravail qui n'est, qui n'est jamais effectif au Niger. Tout ça peut rendre les parents nerveux aussi parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à bosser, ils n'arrivent pas à bouger et que les enfants sont là, ils l'embêtent, ils l'emmerdent, etc. Donc ça peut créer cela. Mais tout c'est, c'est pourquoi il faut que on, doit, puisqu'on est des adultes, c'est à nous d'être patients, c'est à nous d'être compréhensibles envers les enfants et non le contraire. On ne peut pas dire à l'enfant, me comprends, je dois travailler, je dois bosser et tout. Non. Mais l'enfant aussi, il devrait être à l'école, il devrait être avec ses pères en train de jouer, mais la situation l'oblige. Donc, on dit face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Mhm. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de mettre toujours, comme je l'ai dit, l'intérêt supérieur de nos enfants en jeu d'abord. Est-ce que l'attitude, ce comportement, si j'écris euh, sur mon enfant, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour lui Comment elle peut l'interpréter Est-ce que ça peut l'amener à me fuir ou bien à être plus proche Et je pense que pour chaque parent, le plus important, c'est de sentir que c'est ses enfants sont toujours proches de lui et continuent à se rapprocher davantage. Parce que c'est seulement ainsi, quand on crée ces liens de confiance et de rapprochement avec son enfant, qu'on peut être véritablement un bon parent qui peut guider sur tous les plans ses enfants. Mhm, mhm. Et il y a des parents qui ont perdu leur emploi suite à la mise mhm. en œuvre de certaines mesures préventives. Est-ce que cette euh, situation peut être euh, source euh, de violence oui, absolument. Tout ça, c'est des situations que nous vivons dans, dans, dans, nos pays, dans notre pays, surtout au Niger où nous vivons souvent au quotidien. Donc, comme un, père de famille a un boulot qui, où il gagne soit de façon hebdomadaire ou journalier et qu'il n'a plus la possibilité de faire, c'est normal qu'il soit dans certaines dispositions de nervosité, mais également d'incompréhension et tout. Et surtout quand il y a les charges parce qu'il y a de plus en plus de besoins, parce que la famille est là, il faut prendre, euh, il faut acheter tout ce qu'il faut, etc. au quotidien. Et que quand on n'a pas cette possibilité, on est dans certaines dispositions de ne pas pouvoir assumer ou assurer en tant que parent. Et du coup, on peut vraiment être euh, sujet à commettre des violences envers, euh, au-delà même des enfants, même les mamans des enfants mhm. peuvent subir ce genre de violences. Aujourd'hui, on a vu des études ou des reportages un peu partout dans le monde. Ce confinement a généré beaucoup, il y a eu beaucoup de violences conjugales qui sont multipliées. Il y a eu des cas un peu partout, il y a eu des cas de divorce et tout, parce que du fait que les gens ont perdu les emplois exactement, mais du fait aussi que les gens sont tout le temps, la routine c'est pas facile. C'est pas facile la routine de rester tout le temps à la, maison. C'est vrai que nous on a peut-être des cours communes ou des maisons qui sont assez grandes, mais ceux qui sont très isolés, ce n'est pas facile. Donc, mais je dis encore que ce n'est pas une raison de faire violence sur les enfants et ce n'est pas la faute des enfants. Les enfants, c'est à, nous de chercher à comprendre les mm-hmm. enfants et non aux enfants de chercher à comprendre les parents. Mm-hmm. Comment peut-on vivre avec ses enfants sans les violenter en cette période de crise sanitaire, comme c'est le cas avec euh, COVID-19? Monsieur Alzuma Traoré, vous êtes chargé du programme à SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Donc, euh, merci de me faire euh, cet honneur de participer à à ce débat. Et effectivement, la situation euh, a généré euh, le Covid-19 fait en sorte que euh, les gens étaient obligés de rester confinés chez eux. Or, ça, c'est une situation tout à fait nouvelle pour nous, pour beaucoup de pères de famille. Et parce que, voyez-vous, il y a certains pères de famille et même mères de famille qui, pratiquement à longueur de journée, ne voient pas leurs enfants. Quand, par exemple, le matin, on sort, ils vont au boulot, les enfants vont à l'école. Après, la descente, c'est le soir. Quand elles rentrent, pratiquement, n'ont même pas le temps de bien et, euh, poser, jouer avec leurs enfants. Et voilà maintenant que cette situation a fait que les gens sont obligés de, se faire avec. Or, pour certains, c'est vrai, c'est une nouvelle chose. Et ils ont eu du mal quand même à, à se réadapter à cette nouvelle situation. Par contre, pour d'autres, c'était vraiment avec joie parce que l'exigence du travail a fait en sorte qu'ils étaient un peu éloignés de leurs enfants et que maintenant, voilà une situation qui leur permet quand même de passer du bon temps avec leurs enfants. Donc, pour vous dire que euh, cette situation n'a pas eu le même effet chez toutes les personnes. Donc, certains pour certains, c'est un effet positif parce qu'ils ont pu quand même, avec ce temps-là, ils ont pu mettre ce temps-là à profit pour mieux comprendre leurs enfants, pour mieux être à l'écoute de leurs enfants. Alors que pour d'autres, c'était un casse-tête. Faut crier par-ci, par-là, les enfants arrêter, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et cette tension-là fait que des fois, certains parents n'arrivent pas à supporter et ils vont jusqu'à des coups de main des gifles, des menaces, des intimidations, des insultes, en tout cas toutes les, les, violences psychologiques que cela peut en tout cas que ça peut entraîner. Et je pense que, comme l'a dit aussi bien le professeur, il faut c'est à nous en tout cas de chercher et à, nous adapter à la vie avec nos enfants, c'est pas aux enfants de le faire parce qu'ils sont encore enfants. Donc vraiment, il va falloir que les gens tiennent compte de cela et qu'ils puissent vraiment être véritablement à l'écoute de leurs enfants pour qu'ils ne puissent pas, en tout cas, sombrer dans des situations aussi de violence à, à l'avenir. si Ablaziz, vous êtes acteur de la société civile. Comment peut-on vivre avec ces enfants sans les violenter Pour les enfants, en fait, on doit vivre <laughs> avec les enfants sans les violentés. Ça, les, euh, les, c'est une exception et c'est pas normal. Parce que l'enfant, quand il arrive, vous voyez toutes les cérémonies, tous les protocoles, toute la joie qu'il crée au sein de la famille, autour de la famille et dans toute la communauté. Donc ça, c'est un peu, ça, ça, démontre euh, l'aspect précieux de l'enfant on doit prendre soin de, de, l'enfant, on doit l'éduquer, on doit bien l'éduquer et on doit prendre les dispositions pour que ces enfants-là soient épanouis. Parce que si l'enfant n'est pas, n'est pas épanoui, vous êtes en, en train de préparer un, un, délinquant entre, entre griffes. C'est à vous de contribuer à la formation de, de votre enfant. C'est vrai, vous n'êtes pas le seul acteur. Même la communauté, l'école et tout ça là sont des, sont des acteurs. Mais en tant que père, en tant que mère, en tant que famille, vous êtes le noyau central. C'est à vous de, de, de, donner les grandes directions pour, que, pour le futur de votre enfant. Et par conséquent, il faudrait eh il faut écouter eh, l'enfant, il faut échanger avec euh, les, les enfants, mhm. il faut causer aussi avec les enfants. Oui, il faut, il faut causer avec euh, les enfants parce que euh, faut apprendre à combler certains euh, certains, certains, certains vides. Parce qu'un enfant qui va à l'école ou bien qui va à la macaranta et qui ne part plus, il y a un, vide. Donc il faut chercher une solution pour pouvoir combler ces, ces vides-là. L'état-là, il faut savoir l'occuper et euh, pas de manière très violente. Mhm. Monsieur Sani Ayouba, parent d'enfant Oui, euh, moi je pense que en tant que parent, nous devons faire preuve d'innovation. Euh, par rapport aux approches euh, éducatives qu'on doit avoir avec nos enfants. Et surtout, aujourd'hui, il faut pas, il faut comprendre que c'est nouveau. Ce confinement n'était pas, euh, c'est la première fois pour la plupart de, de, nous en tant que parents et même des enfants. Donc, mais donc c'est à nous, comme je l'ai dit, de faire preuve d'innovation pour mieux prendre soin de nos enfants, pour éviter toute violence, malgré que souvent les contextes nous contraint, ou bien euh, pas contraint, mais nous met dans, dans, cette logique-là. On est dans la position de, de sentir de la frustration, euh, du fait qu'on manque du boulot, qu'on manque, euh, qu'on n'a pas cette liberté de mouvement comme on le souhaite, etc. Ça peut nous amener psychologiquement à dépasser souvent des limites, mais on doit se maîtriser en tant que parent. Et vous savez, c'est difficile hein, le confinement dans une cour commune. C'est très difficile. quand, euh, je pense que c'est là aussi où les mesures n'ont pas, euh, euh les mesures étaient mieux à ce sujet. Les mesures doivent quand même, Je euh, j'ai vu beaucoup de spots de sensibilisation et tout, mais il n'y avait pas de spots qui disaient dans une cour commune, parce que la majeure partie de la population nigérienne, nous vivons tous dans des cours communes. Mais comment nous pouvons vivre ces, ces, confinements dans une cour commune avec les mesures d'hygiène à respecter et tout tant que vous êtes cinq familles et chaque famille a au moins cinq enfants et tout, et que les enfants sont habitués à jouer ensemble, il faut les interdire de jouer ensemble. Les enfants doivent se laver les mains régulièrement. Souvent, on n'a même pas d'eau dans les quartiers ou des choses comme ça. C'est très difficile. Et là, je pense que c'est le rôle également des médias de toucher ces sujets pour dire, euh, écoutez, euh, nous sommes dans une situation exceptionnelle, mais comment ceux qui vivent en cour commune peuvent voir la chose Parce que c'est facile, parce que quand on a un parent qui n'a pas assez de moyens, on est plus vulnérable plus on est vulnérable, on vit dans une cour commune avec les charges. C'est vrai, il y a eu des mesures pour réduire un peu euh, les factures d'eau et d'électricité et tout, mais il n'y a pas eu de, il y a peu peut-être de mesures qui, euh, pour ceux qui n'ont pas, qui vivent au quotidien, comment gagner, ceux qui ont des petites et moyennes entreprises, ceux qui euh, gagnent parce que s'ils ne sortent pas, ils ne gagnent rien quand ils reviennent à la maison, les enfants n'ont pas, pas de télé ou il n'y a pas d'électricité, etc. C'est très difficile. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui ont aggravé, qui aggravent euh, la situation et qui peut-être peuvent conduire certains parents à être violents. Mais une fois de plus, nous devons faire en sorte que nos enfants soient le plus épanouis possible. Nous devons faire en sorte que euh, montrer en tout cas notre capacité de résilience en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, pour les inculquer aussi cette, valeur, cette valeur de résistance ou de résilience. Et je mhm. pense que c'est très important. La violence n'a jamais résolu des situations, elle a engendré ou bien là, elle contribue à dégrader les situations. Mhm. Donc nous devons le comprendre. On n'a pas à être colérique. On on doit faire ce qu'on appelle de la discipline positive mhm. pour que tu n'as pas besoin de crier à un enfant pour lui montrer qu'il doit régulièrement laver ses mains. Tu n'as pas besoin de crier ou de taper ton enfant pour lui dire qu'il, pour lui montrer les contraintes d'apporter les masques ou à éviter les va-et-vient ou les jeux inutiles avec ses camarades, mais dans une discipline euh, positive, comme on l'a dit, tu peux l'amener à comprendre pourquoi il faut faire ça, pourquoi il fait ça. Aujourd'hui même, parce que moi, cela m'a permis en tout cas d'apprendre la prière à, mon enfant, parce que depuis lors, on ne parle plus à la mosquée, donc on est obligé. Donc il est devenu les ladins et moi les limans. Donc c'est, vous voyez, il y a des côtés positifs aussi parce que euh, au moins cette période l'a permis d'apprendre euh, la prière ou de prier avec son, père, etc. etc. Mm-hmm. Il n'y a, pas que ça. Donc il y a beaucoup de choses, mm-hmm. même pour la voiture, s'il faut laver, vous faites. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble qu'on ne faisait pas mm-hmm. et que ce temps de rapprochement euh, ou bien ce temps de confinement nous a permis d'être plus proches et on peut regarder ses côtés positifs. Je pense que en tant que parent, on doit toujours être positif vis-à-vis de nos enfants. <laughs> Monsieur Alzuma Traoré, chargé de programme SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences euh, Familiales, quels sont les types, les types donc, de violences dont les enfants sont victimes euh, dans ce contexte euh, de COVID-19 et avez-vous déjà enregistré des cas On rencontre beaucoup de types de violences dans ce contexte de confinement, par exemple, euh, il y a la violence psychologique. je pense qu'on a largement, les différents intervenants ont largement évoqué cela. L'aspect psychologique, c'est le premier aspect d'abord. Et il y a aussi euh, la violence physique. Il y en a aussi, à certains parents qui arrivent jusqu'aux mains. Ça aussi, ça, a été très développé. Il y a aussi le mariage précoce. Vous savez que pendant cette situation de confinement, euh, les écoles étaient fermées et que en milieu rural, certains parents profitent de la moindre occasion où la petite fille ne va pas à l'école. Donc, euh, loin des yeux du maître ou bien loin des yeux des, autres camarades, donc on profite pour célébrer un mariage. Et là aussi, c'est des situations euh, que nous avons en cas, euh, surtout en milieu rural. Donc, je pense que les, ces trois formes de violence ont le plus, sont les, les violences qui ont en tout cas été enregistrées euh, le plus au niveau de nos services. En termes de chiffres, si on essaie de faire un peu le récapitulatif, vous allez voir aussi cette propension de la violence avec la, euh, la, pandémie, la, pandémie, Par exemple, pendant le mois de janvier, au niveau de notre centre euh, de prise en charge de l'ONG SOS, on a enregistré que 17 cas. Donc 7 cas, mais déjà en février, en février déjà nous avons enregistré 19. Donc là, vous voyez, il y a une petite évolution. Mais en mars, de 19 cas, on est passé à 44 cas. On est passé à 44 cas et en avril, nous sommes passés à 61 cas. Donc, vous voyez pratiquement, les choses ont beaucoup évolué. Et là, les principales formes de violence qu'on a, répertoriées, je l'avais dit tantôt, avec euh, le confinement et la violence psychologique, certes, mais aussi il les agressions sexuelles et de poids qui vont jusqu'au viol. Vous savez, les gens aussi euh, sont obligés de rester ensemble, surtout comme l'a eu à dire un des intervenants, dans des maisons où c'est une foule commune, il y a beaucoup de familles qui vivent ensemble. Et cette situation aussi crée des situations de harcèlement sur les enfants. Donc, euh, pour ne pas dire directement viol, parce que euh, c'est surtout des agressions sexuelles. Donc, des agressions sexuelles, ça va aux attouchements et au harcèlement sexuel, donc ce, genre de choses. Mais le viol c'est quand on va à l'acte, on va à l'acte de pénétration. Donc c'est surtout ces, cas-là que nous avons répertoriés. Si je prends par exemple l'exemple du mois d'avril, on a enregistré euh, deux cas de viol, dont un cas sur une personne de, plus de 18 ans et un deuxième cas sur une personne de moins de ans. alors que ça fait vraiment quand même une que nous n'avons pas enregistré de cas de viol. Il y a aussi l'agression sexuelle donc nous avons arrêté cas Les agressions physiques, 14 cas. Et le mariage précoce et porté, nous avons arrêté 4 cas. Alors que là aussi, vraiment, c'est une situation qui est en train d'être renversée, et eu égard à certaines dispositions que l'État et les ONG ont prises pour veiller à ce que ce mariage-là vraiment ne soit pas célébré. Or, maintenant, avec cette situation de confinement, les gens ont profité pour vraiment eh, accélérer certains processus. Donc il y a aussi euh, les violences psychologiques. Là, on est à 18 cas. Donc vous voyez, c'est le, plus gros taux quand même parmi les différentes formes de violences. Il y a aussi le déni de ressources. Le déni de ressources, c'est vraiment de ne pas être à mesure de satisfaire certains besoins économiques, euh, sociaux de la famille. Donc là aussi, avec la situation de confinement, le revenu des ménages euh, a considérablement diminué parce que les gens ne travaillent pas ou travaillent à mi-temps. Donc, ceux qui ne leur procurent pas suffisamment des moyens pour faire face à certains besoins de la famille. Ça aussi, ça crée des tensions, ça crée des violences donc, au sein des ménages. Comment vous les avez pris en charge Bon, la prise en charge, euh, elle est connue, c'est un protocole qui est là. Donc, euh, euh, elle, est d'abord, elle part de, l'écoute d'abord. On, écoute la personne quand la personne vient, elle l'accueille, on écoute. On fait un peu l'inventaire de ses besoins et en fonction de ses besoins, on en ce moment-là, on va voir si nous avons les ressources à notre niveau pour appuyer cette personne, on le fait. Si nous n'avons pas les ressources en ce temps-là, nous la referons au niveau de certaines structures, soit de l'État ou d'autres organismes qui ont en tout cas les moyens pour assurer cette prise en charge. Comme c'est vraiment un travail à la chaîne, la prise en charge n'est pas l'apanage d'une seule institution et il faut de la concertation, il faut en tout cas se mettre ensemble, que chacun, dans le domaine qui est le sien, chacun, en fonction de ce que peut apporter à cette situation. Donc, euh, on le fait et au finish, vraiment, on arrive à, à le besoin de, cette survivante-là. Donc, c'est vraiment comme ça que nous, avons pu régler beaucoup de ces, problèmes-là. Et Dieu merci, euh, quand même, on a eu à, gérer cette situation-là de manière vraiment euh, convenable. Et M. Alzuma Traoré, quelles sont donc les actions menées par votre ONG dans ce cadre Bon, les actions que nous menons, ça va d'abord de, la prévention. Donc ça, c'est toutes les, sensibilisations que nous faisons, euh, les dialogues euh, communautaires donc avec les, différentes parties pour qu'ils puissent d'abord être conscient de la situation dans laquelle nous sommes et surtout qu'ils puissent aussi participer à cette œuvre de, euh, régler, pour gérer ces situations-là. Donc, le premier aspect, c'est cette prévention. Mais le deuxième aspect, c'est l'aspect prise en charge, comme nous avons évoqué tantôt. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de violence. Donc voilà pourquoi on met beaucoup plus l'accent sur la prévention. On fait de la prévention pour que la violence cesse, pour que la violence, en tout cas, ne survienne pas. Mais quand la violence maintenant survient, là, on n'a pas le choix, on sera obligé de gérer. Là, on va passer à la gestion de la prise en charge. Et la prise en charge, ça va de la prise en charge médicale ça peut être aussi la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique et judiciaire. Il y a aussi eh, la réinsertion socio-économique. Donc, euh, ce que nous faisons, donc c'est vraiment un processus. Et ce processus-là est déterminé par le besoin de la victime qui a été identifié dès le départ. Si on, rate cet aspect-là, ce niveau-là, donc l'expression du besoin, donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais atteindre le résultat. Voilà pourquoi aussi, il faut vraiment prendre tout le temps nécessaire pour euh, écouter la personne, bien la l'accueillir d'abord, l'écouter, la mettre en confiance pour qu'elle puisse vraiment dire tout ce qu'elle a euh, sur le cœur, tout ce qu'elle euh, a comme problème en ce moment-là. Avec elle, on essaie de trouver des solutions à son problème. Donc voilà comment nous, travaillons. Monsieur Abou Zaidi Sanoussi Abdelaziz, vous êtes acteur de la société civile. Comment agir pour prévenir la discipline violente chez les enfants à cette période de coronavirus? c'est qu'il faudrait continuer à faire ce qui est en train d'être fait parce qu'il y a euh, toute une campagne de sensibilisation qui est en train d'être faite euh, par rapport aux au droits des enfants, par rapport à la protection de l'enfant, par rapport à la responsabilité parentale. Et je pense que ça, c'est un aspect sur lequel il faudrait euh, mettre l'accent. Et, et au-delà des, des pratiques qui se font, il faudrait faire recours aussi aux religieux pour qu'ils puissent apporter leur contribution par rapport à, cette question, pour que les parents ne pensent pas que religieusement c'est permis de, violenter son enfant, alors que ça, ce n'est pas le cas. Il y a euh, les, religieux doivent expliquer aux gens et la sensibilisation doit aller dans les quartiers, dans les hameaux et partout pour que les gens puissent mieux comprendre et que leur attention soit un peu attirée. Par rapport à la question des, euh, droits des enfants, là également, il faudrait euh, intensifier la, sensibilisation. Vous savez, les gens avaient une perception, les, euh, citoyens ont une culture, une pratique par rapport au traitement réservé aux enfants. Euh, certes, il y a un grand changement, mais il y a encore euh, un grand défi à, relever. Pour ce qui est de hum, la responsabilité de l'État, euh, je pense que les ministères, parce que pas les ministères, les ministères en charge de protection de, l'enfant, au-delà du, ministère, les autres doivent concourir à aider pour protéger les, les enfants. Monsieur Sani Ayuba, parent, comment éviter la violence chez les enfants Sur quoi miser pour y arriver Oui, je pense que euh, l'une des choses importantes pour moi, c'est vraiment une répartition euh, équitable des tâches au sein de la famille. Parce que euh, quand les enfants sont laissés au seul soin de la maman ou bien au seul soin du papa, c'est clair que cela peut à la longue devenir compliqué pour l'un des parents. Donc, à mon avis, la première des choses, c'est d'abord euh, de faire cette répartition. Il y a des activités que les enfants feront avec le, papa, d'autres avec la maman et maintenant des activités à faire ensemble aussi en famille. C'est mm. très important qu'il y ait cet équilibre-là au sein de la famille. Mais également, euh, il est important quand même de, de, continuer à faire la promotion des droits des enfants parce que peut-être que pour certains parents, les enfants ont que des devoirs et non pas des droits. Donc, euh, je pense que c'est très important aujourd'hui euh, que la sensibilisation soit démise euh, sur l'importance pour les parents de connaître, d'accepter et d'aider les enfants à jouir pleinement de leurs droits. Les enfants ont des droits, c'est important de le mentionner et d'aider à respecter. C'est important dans une famille qu'il y ait de l'harmonie et nous sommes en tant que parents garants de cette harmonie-là au sein du foyer. Monsieur Alzouma Traoré, chargé de programme à SOS Femmes et Enfants victimes de Violence Familiale. Qu'en pensez-vous Qu'en pensez donc à, sur les voies et moyens pouvant mettre les enfants hors de danger de la maladie et à l'abri de toute violence Bon, moi je pense que euh, il y a des dispositions quand même qui sont là. L'enfant, il a des droits, il a beaucoup de droits. Donc euh, jusqu'à un certain âge, quand même, l'enfant, il n'a que des droits, mais à un certain moment, il peut avoir aussi des devoirs. Donc il faut respecter les droits des enfants. Et le droit, ça va, ça c'est large. Il y a d'abord le droit à la vie. L'enfant doit vivre la famille doit vivre. Elle a le droit à l'éducation. doit recevoir une éducation de qualité. Et l'éducation s'entend, l'éducation au niveau du foyer et l'éducation aussi à l'école et aussi l'éducation dans la société tout entière. Donc, euh, il y a aussi euh, le droit à la santé, je l'ai dit, donc c'est veiller à ce que l'enfant soit bien portant. C'est veiller à ce que tout ce que l'enfant, en tout cas, puisse soit consommé ou euh, soit quand même sain. Donc ça, c'est les principaux droits que euh, l'enfant doit avoir. Et si vraiment les parents et l'État donc arrivent à conjuguer leurs efforts pour faire une réalité de ces différents droits-là, je pense que les enfants seront protégés. Et il y a des dispositions au niveau de, notre législation qui est là aussi qui, protège l'enfant. On a un ministère qui a en charge de la protection de l'enfant. Donc vous voyez, en tout cas, il y a tout un dispositif, il y a tout un arsenal quand même qui est là et qui veille à ce que l'enfant soit épanoui et que l'enfant euh, soit en tout cas dans de bonnes conditions de vie. Donc, et maintenant, tout contrevenant à cela peut s'exposer à certaines sanctions. vous avez vu euh, tout le travail qui a été fait par l'État et aussi les ONG nationales et internationales par rapport à la situation des enfants. Il y a l'UNICEF, il y a, il y a e Oxfam, donc qui sont en train, en tout cas, il y a plein donc tous ces acteurs-là, il y a de children, c'est la liste, elle est longue, je ne peux pas citer tout le monde, qui sont là, qui sont en train de veiller à ce que l'enfant vive dans de très bonnes conditions. Et à veiller aussi à ce que toute personne qui essaie en tout cas de nuire à un enfant puisse répondre devant, devant les Il y a des dispositions du code pénal, il y a des dispositions du code civil quand même qui font en sorte que l'enfant est protégé. Et nous, en tant qu'ONG, nous sommes en train de veiller à ce que toutes ces mesures-là qui ont été prises par l'État et tous les engagements aussi que les parents eh, doivent donc accomplir, que cela soit une réalité. Auquel cas, si ce n'est pas, euh, pas fait, nous allons rappeler à ces, différentes parties prenantes-là. Voilà des dispositions que vous avez vous-même eh, souscrites, donc les respecter. sinon, eh, il y a des sanctions quand même qui aussi vous Donc, euh, c'est une façon de dire que vraiment l'enfant est bien protégé, seulement Et si on ne veille pas à ce que cette euh, protection-là soit effective, donc c'est en ce moment-là qu'on peut avoir des, des, gens quand même mal intentionnés qui vont chercher à tout prix à mettre les enfants mal à l'aise. C'est le cas des personnes qui étaient quand même d'abuser des enfants. Donc, vous voyez, et là, le code pénal nigérien est clair tout celui qui, se permet de faire ce genre de choses-là verra euh, l'autorité, la loi euh, devant, lui. Et nous, nous sommes les garants aussi de cela. Nous accompagnons l'État dans ce sens. Nous sommes son œil, nous sommes son oreille. Nous regardons s'il y a un manquement, nous alertons pour que cela puisse vraiment être. Voilà, pour euh, terminer, quels sont les messages apaisants qu'il faille véhiculer auprès des enfants et quels sont les messages traumatisants qu'il faut éviter. Rapidement, donc, on fait le tour des tables. Monsieur Sani Ayouba, vous êtes parent. Oui, mais moi je pense que la première des choses, c'est d'expliquer tranquillement aux enfants c'est quoi cette maladie à coronavirus. Mhm. Parce que si on est dans cette situation, c'est quand même à cause de la maladie. Donc euh, aujourd'hui, il y a même des bandes dessinées qui expliquent tranquillement aux enfants que c'est une maladie qui est là, c'est une nouvelle maladie, etc. Il faut rassurer les enfants que ça fait partie de la vie qu'il y ait des situations comme ça, mais que nous allons les surpasser, nous allons les dépasser parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de cela et surtout qu'il y a les gestes euh, barrières, les mesures préventives. Donc il faut expliquer, rassurer les enfants, il faut leur dire que bientôt ils pourront reprendre le chemin de l'école, retrouver les amis. Il faut les rassurer que cela ne va pas être continuel. Pour moi, c'est très, important. Ce qu'il faut éviter, il faut éviter de déverser sa colère sur ses enfants. Il faut éviter de montrer qu'on est triste ou bien qu'on est en colère devant ses enfants. Donc, si on est dans une situation pareille, je pense que le mieux serait de s'isoler et de ne pas être devant les enfants. Éviter de crier aussi sur la mère des enfants, ou bien la mère aussi d'éviter de crier sur, le papa devant les enfants, etc. Cela peut engendrer des situations qui ne sont pas jolies, euh, en tout cas qui ne sont pas très beaux devant les enfants, mhm. euh, très belles. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment important que dans une famille, qu'on comprenne les limites euh, par rapport à ce qu'on doit faire devant les enfants, ce qu'on doit montrer devant les enfants. Parce que les enfants, ce n'est pas seulement ce qu'on dit qu'ils euh, euh, captent, qu'ils regardent, c'est des, faits observateurs. Donc même les gestes, nos faits et gestes doivent être des gestes qui prennent l'amour, qui prennent l'harmonie, qui prennent l'unité de la famille. Et cette unité, c'est l'unité qui symbolise l'unité contre la maladie, contre toutes les autres agressions extérieures pour montrer qu'une famille doit rester unie. <laughs> Monsieur Abou Zaidi Sanoussi moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, il faut bien écouter les enfants parce que à travers la, avec la situation, ils, ils, regardent beaucoup les télévisions, ils posent beaucoup de questions mhm. et par conséquent, il faut les, il faut les écouter. Il faut les écouter et également, il faut les, encourager, les, stimuler dans, à apprendre des choses, à des pratiques et les, les, amener à adopter des attitudes positives. Mhm. Et je pense que si cela est fait, ça, ça permet à l'enfant d'être plus confiant et plus, plus, plus rassurant. Mhm. Et par rapport à la maladie, il faut les apprendre euh, les gestes barrières, comment il faudrait faire, quels sont les, euh, tout, ce qu'il faudrait développer. Il faut le faire avec, euh, avec eux de manière euh, euh ludique. Donc ça, le premier de, de, mieux retenir. Et moi, je pense que je, sais que ça a des résultats. <laughs> Monsieur Alzuma Traoré, quels sont vos messages Bon, moi surtout, euh, je ne vais pas revenir sur ce que les, autres ont dit, mais j'ai deux aspects quand même à, à relever. C'est surtout, euh, d'abord, la bonne information. Donc je pense que la bonne information doit venir surtout des parents et aussi de l'État. Donc il faut veiller à ce que cela soit effectif, que les enfants ne consomment pas en tout cas tout ce qu'ils apprennent. Et la mauvaise information aussi, surtout, ça provient des réseaux sociaux. Donc il faut faire très attention à l'utilisation des réseaux sociaux et par les enfants qui peuvent en tout cas leur véhiculer des informations qui ne sont pas les bonnes et qui peuvent vraiment eh, compromettre leur épanouissement. Voilà, nous sommes donc euh, au terme euh, du forum euh, de ce soir sur le thème la prévention de la discipline violente auprès des enfants pendant ce temps de COVID-19. Vous avez donc, grâce à l'intervention de nos invités, suivi les explications donc euh, de la discipline violente, les facteurs ainsi que les conséquences euh, que cela engendre sur le bien-être donc euh, de l'enfant. Il est donc du devoir des parents de protéger donc leur enfant quelle que soit la situation dans laquelle donc ils vivent car à ton coutume de le dire que les enfants sont l'avenir de demain et que tout développement d'un pays dépose et que tout développement d'un pays repose d'abord euh, sur sa jeunesse. Nous étions donc euh, dans ce studio avec euh, M. Alzuma Traoré, chargé de programme au niveau de SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. M. Sani Ayuba, parent d'enfants qui a réussi le confinement, et M. Abouzaïdi Sanoussi Ablaziz, acteur de la société civile. À la présentation, Fatih Zakari, à la technique, Halidou Haruna.